le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passées de 15 minutes à Niamey. Messieurs, dames, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés dans les huit régions du Niger grâce à notre réseau dynamique de 31 radios partenaires. Suivez-nous aussi sur notre page Facebook Studio Kalangu et sur le site internet www.studiokalangu.org. La collecte et la gestion des ordures ménagères et déchets liquides est notre thème d'aujourd'hui. Il a été constaté que l'insalubrité dans les quartiers de nos villes notamment dans la capitale nigérienne, est loin de refléter l'image d'une ville moderne. Alors, comment se fait le mécanisme de ramassage des ordures et déchets liquides Que faire de ces ordures ménagères Sont-elles triées ou recyclées Nos villes disposent-elles de décharges Quelles sont les actions menées par les différentes structures du secteur Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, je suis dans ce studio avec M. Omar Gao du groupe Nigérien cyber-citoyen. Bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Bouraïm Daouda du mouvement nigérien pour la sauvegarde des acquis démocratiques Mozadem, bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Abdelaziz Sekou, chef service hygiène et assainissement de l'ONG Sapta Mohali. Bonsoir Monsieur Abdelaziz. bonsoir. À la présentation, Rahila Soumana. Monsieur, dames, bonsoir. Comme je le disais, la thématique euh, du forum d'aujourd'hui est consacrée à comment se fait la collecte et la gestion des ordures ménagères et des déchets liquides. Mais avant, euh, messieurs, chers invités, faites-nous une brève euh, présentation, les principales missions assignées à vos différentes structures représentées ici. Monsieur Gao, à vous. Je vous remercie énormément pour cette occasion que vous nous offrez. Je parle aujourd'hui au nom de je parle aujourd'hui au nom de, la plateforme Nigérien Cyber Citoyen, qui est une plateforme de, cyber citoyen, on va dire. Nous avons commencé à, essayer de mobiliser les citoyens nigériens, mais aussi et surtout les décideurs publics autour de la problématique de l'insalubrité depuis euh, bientôt deux ans, si j'ai bonne mémoire. Et en gros, le caractère atypique de notre regroupement, c'est que c'est justement ni une organisation non gouvernementale, ni une association mais plutôt un regroupement spontané de, de citoyens qui se sentent concernés par cette problématique-là. Et le but, c'est vraiment de sensibiliser, de mobiliser afin que tous les acteurs jouent et assument leurs responsabilités. Quand je parle des acteurs, je parle et des citoyens, mais aussi des décideurs publics. Donc, nous avons à notre actif euh, beaucoup d'actions qui partent des, des actions symboliques pédagogiques, mais aussi des actions de sensibilisation, mais une très très forte présence euh, sur le web qui est en fait un peu l'identité de ce groupe-là. Allô, monsieur Abdelaziz, vous m'entendez Oui. Faites-nous une petite présentation de votre structure que vous représentez ce soir. Je suis le secrétaire général de l'ONG une ONG d'hygiène, d'assainissement, c'est-à-dire la promotion vraiment de ce qui a trait à la gestion environnementale, à l'hygiène. Donc, euh, cela. Encore merci, monsieur, euh, monsieur Daouda, à vous. Une petite présentation. Notre organisation, le Mouvement nigérien pour la sauvegarde de la démocratie, est, une structure qui regroupe euh, beaucoup d'associations, dont des associations qui s'occupent particulièrement des volets défense des droits humains, défense de la démocratie, et également des ONG qui s'occupent euh, de l'hygiène et de l'assainissement. Et on est même parti loin jusqu'à créer même euh, des petits, des, organiser des jeunes pour avoir des sociétés qui s'occupent spécialement de la collecte, du piquetage des ordures euh, au niveau de la ville de Niamey. Merci, Monsieur Gao. Je vais commencer par vous maintenant que les présentations sont faites. En tant qu'activiste, euh, quel est votre constat euh, par rapport à la situation de la salubrité de la ville de Niamey Qu'avez-vous constaté ces derniers temps En tant que citoyen, d'abord, je pense que tous nous avons finalement, avec beaucoup de fatalité, accepté l'idée que nous vivons dans des ordures. Disons les choses telles qu'elles sont, nous vivons dans des ordures à Niamey. Et ça ne choque plus personne. Ça ne choque pas le citoyen, ça ne choque pas le père, euh, de famille qui voit son enfant grandir dans les ordures, dans les déchets, ou aller à l'école en traversant euh, des déchets. Vous voyez, en fait, c'est un premier constat qui est extrêmement choquant de la gravité de la situation et de comment est-ce que nous acceptons cette situation, ce qui est vraiment très choquant. Ça, c'est un, premier aspect. Le deuxième aspect, c'est un constat amer de démission des pouvoirs publics. Vous avez à côté un, discours public politique qui est très fort, un engagement, par exemple, sur Niamey-Niala, sur tous les grands chantiers qui veulent faire de Niamey une ville moderne, mm-hmm. et, et, énormément d'argent d'ailleurs qui a été investi dans beaucoup d'infrastructures, mais à côté, alors que quand on parle d'insalubrité, on parle aussi de santé publique d'hygiène de vie et de qualité de vie. On parle d'éducation parce que ça permet d'éduquer nos enfants, cette jeunesse dont on parle, sur comment est-ce qu'elle peut vivre dans un environnement durable. C'est assez complexe comme problématique, mais c'est un tout. Et pourtant, malgré le fort discours public et politique que nous voyons, en termes d'action, on en est encore au balbutiement. Pour finir sur le constat, je dirais à la fin que quand on regarde comment est-ce que sont gérées les problématiques liées à l'insalubrité au Niger, vous avez l'impression que c'est comme si Niamey où les grandes villes du Niger sont les premières villes au monde à avoir été confrontées au problème d'insalubrité. Vous avez l'impression qu'on est face à un problème nouveau. Non, c'est un problème très ancien. Toutes les villes du monde ont mis en place des systèmes, des mécanismes qui permettent de le gérer. Et nous, on peut très facilement s'inspirer des exemples d'études, mais on a les, possibilités de le faire. On ne le fait pas. Allô, Monsieur Ablaziz. Oui, vous avez entendu l'intervention de notre invité. Donc, euh, qu'avez-vous à dire euh, par rapport à ce qu'il vient de dire Je suis d'avis en partie. A priori, d'abord, c'est une question de culture. On dirait que euh, du fil du temps, nous avons perdu cette citoyenneté au vu de certains préjugés ou de certaines visions qui font que les réalités sont là, mais euh, vraiment, c'est pas à cela qu'on s'attarde. C'est vrai que les discours sont assez convaincants, et bien posés de façon technique, mais c'est vrai que il y a, euh, ça fait deux poids, de mesures. Et par rapport au discours euh, qui est tenu. Les discours, d'accord, oui, les discours, oui, mais est-ce que, qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain pour que euh, nos villes soient propres pour qu'on puisse vivre dans l'assainissement? Aujourd'hui, concrètement, la première des choses, il va falloir qu'à tous les niveaux, on essaie de regrouper tous les acteurs en un faut qu'il y ait euh, vraiment tous les acteurs sur une même table. Parce que euh, si vous voyez, c'est pour un même combat il y a une multitude d'actions, mais de façon éparse. Alors que si, dans un premier temps, cette euh, synergie d'action est faite, n'est-ce pas, on peut agir a priori aussi sur le mental. Parce que tout se joue sur le mental aujourd'hui de nos concitoyens. C'est ça, c'est ça qu'il va falloir d'abord changer. L'hygiène doit faire partie vraiment de notre culture. En parlant de culture, qu'est-ce que vous voulez dire par là Parce que nos, eh, nos, parents, ils ont été toujours propres. Hein. <laughs> non, mais ben, ici, nos parents ont toujours été propres. Quel en est le cas de cette génération, de notre génération d'aujourd'hui Autant de nos parents aussi, ils n'avaient pas euh, tout ce que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas toutes ces libertés, ils n'avaient pas toutes ces facilités. Mais néanmoins, il y avait une certaine euh, conscience citoyenne qui était là. Hein? Maintenant, c'est à ça qu'il faut toucher. Qu'est-ce qui fait que cette conscience citoyenne n'y est plus Pourquoi est-ce qu'il y a euh, euh, la ville, ou du moins les différentes capitales où la ville de Niamey est devenue un no man's land nous, nous, allons y revenir tout à l'heure. Restez en ligne. Voilà. Donc, euh, Monsieur Daouda, vous venez d'entendre euh, les interventions de nos deux invités. En général, comment se font la collecte des ordures ici à Niamey et surtout avec quels moyens au niveau, de Niamey, la gestion des ordures, que ce soit des déchets, que ce soit solides ou liquides, ceux qui sont en principe chargés de rendre notre environnement sain le plus responsable, c'est d'abord les autorités de la ville de Niamey. Maintenant, on a fait un constat depuis un certain temps. Il y avait une démission de la part de ces autorités. Quand on essaie de faire l'analyse, vous allez voir que la mairie n'a pas acheté d'agents leur permettant de s'occuper des problèmes d'hygiène et d'assainissement de Niamey. Mais ceux qui sont là même se plaignent d'arriérés de salaire. Et au-delà de ça, la mairie, comme la mairie n'a pas d'agents, la mairie fait la sous-traitance avec euh, un certain nombre euh, de sociétés d'hygiène et d'assainissement. Et là également, le problème fondamental qui se pose, c'est que la ville de Namé n'arrive pas à honorer ses engagements vis-à-vis -vis de ses prestataires. Ça aussi, ça fait un facteur. Mais d'une manière générale, quand même, quand nous constatons, au niveau de cette ville, on a laissé le problème euh, perdurer on a entassé les déchets et c'est vrai, ces derniers temps, on constate euh, des efforts qui sont en train d'être euh, fournis, mais là où le problème euh, risque encore de se poser, c'est que David de n'a pas de décharge publique en réalité. que ce soit au niveau des quartiers, même quand on élève les ordures, pour les ordures solides, pratiquement c'est pas lourd de déposer. Les autres les déverse juste à, l'écart de la ville, les vents peuvent les ramener. Pour ce qui concerne les déchets liquides, Parfois, c'est les caniveaux là qui les conduisent. Et vous savez, là où les caniveaux les amènent, c'est dans le fleuve. Et c'est cette eau du fleuve-là que les Yassa de Niamey à là sont en train de consommer. Ça veut dire que ces eaux usées ne sont même pas recyclées avant d'être reversées au niveau, au niveau, directement reversées au niveau, dans, dans, le fleuve. Ça également, ça risque de poser à long terme un problème de santé publique. Quand nous essayons de résumer, nous, allons, nous pouvons dire qu'il y a d'abord un problème qui est structurel, et au niveau de ces problèmes structurels, tout le monde peut être considéré comme responsable, les autorités et les citoyens. Parce que il n'est pas rare de voir des populations de la ville sortir pour dire que leurs quartiers sont sales. Je crois qu'il n'appartient pas à la mairie de balayer ta maison ou de balayer devant de ta maison. Il y a des problèmes qui se posent comme ça. Mhm. Je crois que le rôle de la mairie, c'est quand les populations arrivent à faire sortir les déchets de leur maison, le rôle de la mairie, c'est de les dégager pour les amener à l'écart de la ville et, si possible, les traiter, les recycler avant de les déverser. Monsieur, merci, Monsieur Daouda Dumozadem. Euh, Monsieur Gao du Nigérien Cyber Citoyen, à votre avis, euh, qu'est-ce qui pousse euh, à cet incivisme moi, je suis toujours un peu circonspect quand on parle de civisme, de mentalité. Parfois, il faut vraiment faire attention à la terminologie, aux conséquences. Il est un peu trop facile parfois de rejeter tout sur des questions de mentalité en disant que la mentalité d'une gérance serait, que sale. C'est vraiment un peu trop facile. Comme vous l'avez mentionné dans votre intervention tout à l'heure, nous, notre génération, peut-être quand on était euh, jeunes enfants, on n'a pas vécu dans ces, gros problèmes gros problèmes d'insalubrité. Qu'est-ce mhm. qui a manqué alors Est-ce qu'on a été mal éduqué Est-ce que c'est nous qui avons un, problème dans notre rapport à l'hygiène Je ne pense pas. Mais ce que dans les années 80, c'est ça qui est extraordinaire dans ce pays, mhm. c'est que quand vous remontez en arrière, vous avez l'impression qu'il y avait quelque chose de sensé qui était en place et qui permettait de réguler convenablement les, services publics. Mais actuellement, où justement on est censé justement avoir progressé sur ces problématiques-là, c'est là, qu'il y a le problème. Tout ça pour dire quoi C'est que d'une part, je suis d'accord qu'il y a, on peut hiérarchiser les responsabilités. Mm-hmm. Mais le premier responsable, c'est celui qui est responsable de mettre en place le cadre structurel. Il, y a, il, manque une vision dans, cette ville de Niamey ou dans des grandes agglomérations du Niger. Et la vision pose le cadre. Et une fois que vous avez le cadre posé, les services qui marchent, une vision. Alors c'est la précollecte, la collecte, euh, l'évacuation, le stockage, le traitement. Tout ça, c'est une chaîne. Tout au long de cette chaîne, il y a des acteurs, il y a des produits à valoriser. Tout ça a été pensé. Mais tout ça pour vous dire quoi C'est que c'est beaucoup plus complexe que de rejeter la responsabilité sur l'un ou l'autre. Mais il y a un grand responsable, c'est l'autorité publique. Une fois qu'elle met en place le cadre, je vous promets que vous verrez que notre rapport à, l'hygiène n'est pas qu'un problème de mentalité. Bien sûr, il y a cette question de mentalité. On a vu dans le cadre des actions que nous faisons que spontanément, beaucoup de quartiers pas autant que nous aurions voulu, beaucoup de soins se sont sentis concernés et se sont mobilisés. Ah des gens qui investissent leur dimanche pour aller balayer, pas leur maison, la maison de quelqu'un d'autre, le quartier de quelqu'un d'autre, l'école des enfants d'autres personnes. Donc très clairement, le Nigérian a conscience qu'il y a un problème avec la l'insalubrité et est prêt à s'investir. Pas tous les Nigériens, mais quelques-uns. Quelques-uns, et, je pense que c'est ça l'effet boule de neige. Une fois que vous dites aux gens que c'est possible, ils se mettent en branle. Mais le problème, c'est que quand vous voulez être propre, quand vous balayez l'entrée de votre maison et que vous n'avez même pas un endroit devant votre porte où vous pouvez d'abord stocker cette ordure-là pour qu'elle soit prête, c'est un vrai problème. Vous aurez beau être euh, exemplaire dans votre citoyenneté, vous aurez du mal à aller jusqu'au bout. Je vais revenir vers vous. Allô, monsieur Ablaziz. Comme ils l'ont dit, euh, Niamey croule euh, sous les déchets. Et dites-nous comment sont choisis les lieux où on dépose euh, les, les bennes à ordures, les dépotoirs. Comment sont-ils choisis dans les villes ah, Vous savez, effectivement, tous les cas de figure là ne peuvent pas être nuancés. d'abord, a priori, nous avons un problème, comme l'avait dit Mozadem, un problème de décharge publique. Ce n'est pas qu'à Niamey il faut voir de 1960 à aujourd'hui, nous n'avons pas une décharge officielle digne du nom. Et aujourd'hui, avec euh, une certaine poussée euh, démographique, vous avez vu que la capitale Niamey, comment est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui ici, il faut bien sûr euh, délimiter la capitale Niamey. Donc il va falloir prendre au-delà des 25 km de chaque bienvenue qu'il y a actuellement. Au-delà de cet aspect-là, ça a fait en sorte que euh, les processus euh, d'aménagement euh, urbain, n'est-ce pas, avaient eu là aussi un certain nombre de responsabilités de l'autorité. Donc un processus commence et puis c'est un peu arrêté par, rapport au processus d'aménagement urbain. À un temps, vous voyez, ça avait été commencé et bon, les raisons pour lesquelles maintenant ce schéma d'aménagement urbain n'est plus respecté. Vous voyez les lotissements ont été faits à tort et à travers, en non-respect vraiment des textes de la réglementation, en laissant les espaces de voirie, et ça qui sont pour des utilités publiques, comme les points de ce que nous appelons les points de transit. Qu'est-ce que vous entendez par euh, point de transit Expliquez-nous un peu. Les points de transit, euh, ce sont les espaces se trouvant dans les quartiers qui sont expressement laissés pour des cas d'utilité publique, qui sont les dépôts de décharges de façon euh, transitoire ou des écoles comme les structures sanitaires. Ces points de transit-là, aujourd'hui, ces espaces-là n'existent même pas dans les quartiers. Donc, euh, vous voyez, il y a des difficultés de dépôt dans des conteneurs. Récemment, il y a une nouvelle, euh, un nouveau schéma que nous avons mis au point qui a regroupé vraiment tous les arrondissements, dont tous les quartiers, tous les points de regroupement ont été identifiés cartographiés et géolocalisée. En fonction de ça, une stratégie est en train d'être mise en place. Et cette stratégie-là, on peut vous dire qu'elle est même en place, parce qu'aujourd'hui, un des interlocuteurs a dû le dire, des actions ont commencé à être visibles, un certain nombre de points commencent à disparaître, ça rentre dans le cadre de la stratégie. Monsieur Ablaziz, est-ce que vous avez une petite idée de, de la fréquence euh, pour les enlèvements des ordures au niveau des dépotoirs voilà, la communication s'est coupée. Je me retourne vers vous, Monsieur Daouda Dumozadem. À votre euh, connaissance, sous quelle fréquence euh, sont prévus les enlèvements des ordures au niveau des dépotoirs bon, Je n'ai pas exactement leur, euh, leur fréquence pour, pour l'enlèvement des, ordures au niveau des dépotoirs. Le problème se pose, il n'y a même pas assez de dépotoirs, même dans les quartiers. Il n'y a même pas assez. Bon, c'est vrai, il hein, faut reconnaître que ces autorités actuelles-là, réellement, elles ont commencé à s'investir dans le cadre de l'assainissement. Dans le temps, la gestion de l'assainissement au niveau de la ville de Niamey était gérée par la mairie centrale, alors qu'on a cinq arrondissements. Finalement, ces arrondissements-là n'ont pratiquement aucun rôle à jouer dans le sens, alors que, en principe, on devait leur donner la gestion parce que c'est eux-là qui sont plus proches de leur communauté. Mhm. Et j'ai vu avec les critiques que beaucoup d'organisations de la société civile ont, ont eu à faire, avec l'arrivée de la délégation spéciale, ils ont quand même rencontré les communautés au niveau des arrondissements et ils ont confié une partie de la gestion de l'assainissement aux arrondissements. Voilà pourquoi vous allez voir que on peut faire ces travaux-là en même temps au niveau des cinq arrondissements. Donc ça, ça peut permettre d'avancer. Mais en réalité, quel qu'en soit l'effort qu'ils vont fournir, ça peut poser un problème. Premièrement, l'autre a commencé déjà par euh, donner la question de la démographie. Niamey a plus d'un million de personnes. Comme vous voyez donc euh, la quantité d'ordures que la population peut produire par jour, pour les évacuer, il faut des moyens vraiment colossaux. On sait que ces gens-là n'ont pas les ressources nécessaires pour ils faire face. Ils n'ont pas assez de personnel, ils n'ont pas assez d'engins leur permettant d'évacuer tous ces trucs-là. Il y a également toujours, je veux revenir là-dessus, le comportement même de nos populations. Vous allez voir, quand vous circulez dans la ville, même les goudrons-là qu'on a eu à faire, ça ne fait même pas un an. Ces goudrons-là ont été transformés en dépotoirs. Vous prenez le boulevard Tanimoun, au milieu là, vous allez voir les populations versent leurs ordures là-bas. Pourquoi Je ne les incrimine pas, je ne les condamne pas totalement. Si ces populations les versent, c'est justement parce que elles n'ont pas où verser leurs déchets. La mairie n'a pas prévu de dépotoir. Voilà pourquoi, nuitamment, les gens peuvent se débarrasser de leurs déchets là où il ne fallait pas. Mhm. Il y a également un autre facteur. Parce que même si mon, mon interlocuteur euh, n'aime pas qu'on parle de la mentalité des citoyens, il y a ce problème de mentalité. Vous allez voir peut-être nous-mêmes, en cours de route, tout ce que nous consommons, ça ne coûte absolument rien de jeter les déchets nous-mêmes sur les routes. Même si nous sommes même de l'assainissement. Je suis sûr, même un maire peut le faire. <laughs> Alors qu'ailleurs, ailleurs, les populations, les citoyens ont compris la nécessité de rendre leur environnement sain, ils ne peuvent pas avoir ce comportement. Donc le changement de comportement, là, en réalité, ça s'impose. On ne doit pas rejeter la totalité des fautes sur, seulement les autorités. Nous, sommes aussi en partie responsables. Nous avons vu dans certains quartiers, il y a des rampes euh, qui ont été construites au niveau des dépotoirs pour permettre aux charretiers ou aux brouettes euh, d'accéder facilement aux conteneurs. Mais on voit toujours que le conteneur est vide que les déchets sont tout autour. Euh, comment expliquez-vous <laughs> ce comportement alors qu'il y a l'accès pour, euh, pour la benne C'est très intéressant comme question. Et en fait, quand vous répondez à cette question, vous comprenez à quel point on a un problème dans ce pays. Des rampes ont été construites avec de bonne foi, avec l'idée que ça allait faciliter euh, l'accès des usagers, l'utilisation des bennes. Mais finalement, si vous réfléchissez, en fait, regardez un peu la, pente que font les, rampes. Et imaginez un enfant, parce que ça arrive souvent, ça qui a 10, 12, 13 ans, à qui euh, la, la mère confie une brouette remplie euh, de déchets, dont la moitié c'est du sable. C'est aussi une des caractéristiques de la nature des déchets. La moitié c'est du sable. Alors il ne pourra pas pousser. Il, aurait, voudrait bien, mais il ne pourrait pas. La même chose pour les charretiers qui ont euh, parfois des grosses charrettes dont la moitié est remplie de sable qui sont extrêmement lourdes. Mhm. Quelle que soit leur bonne foi, parfois ils voudraient bien mais ils ne peuvent pas. Donc parfois les gens sont découragés par l'effort à fournir. Pourquoi je dis ça C'est juste pour rappeler qu'il y a un besoin dans ce pays-là d'être en dialogue avec les communautés pour comprendre leurs besoins. Ils n'ont pas adapté la rampe. Les discussions qu'il aurait fallu faire avant de mettre en place ce mécanisme n'ont peut-être pas touché les personnes, toutes les personnes concernées. Parfois, c'est les populations. De quoi vous aurez besoin Simplement de discuter avec les populations pour comprendre leurs besoins. De discuter avec les techniciens comprendre leurs besoins. Il y a des spécialistes de, l'hygiène, de, l'urbanisme qui peuvent aider. Et surtout, ces problématiques ont été étudiées, analysées, traitées dans d'autres pays, dans d'autres villes. On doit aussi s'inspirer, on ne peut pas recréer la, roue éternellement, on doit aussi s'inspirer de ce qui marche ailleurs. Mhm. Si on l'a fait, euh, ces rampes-là, on les a faites depuis peut-être une dizaine d'années, et que malgré tout, on a vu qu'elles n'ont pas marché dans les heures. alors pourquoi on reprend la même chose vous verrez, cette année aussi, on, va considérer. des rampes. Et cette année, on constatera aussi que ça ne marche pas. Et pourtant, on va perpétuer ça. Donc, donc tout ça pour dire qu'il y a un vrai problème aussi au niveau de l'adéquation entre euh, comment dire, les schémas qui sont en, place, dans le raisonnement, euh, dans les stratégies de, de, des pouvoirs publics et les vrais besoins des populations. Il y a un manque de communication quelque part. Moi, je pense qu'il y, y, a un vrai il y a un vrai manque de cohérence dans ce que nous faisons. Il y a quelque chose ne peut pas avoir été fait depuis 10 ans, ne pas marcher et être perpétué. Perpétué, perpétué. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il faut peut-être pousser un peu plus la réflexion et ne pas se mettre juste dans son bureau et réfléchir à quelque chose. Et on dit c'est bien pour vous, on va vous le faire parce que nous on sait que c'est bien pour vous. Ça ne sert à rien si vous ne l'utilisez pas à la fin. La question de mentalité est importante. En fait, je ne la rejetais pas. Je disais juste que mettez en place quelque chose, vous aurez le soutien de la population. Mais dites aux populations, vous changez de mentalité, soyez propre, soyez ça. Vous verrez tout de suite les limites de ces raisonnements. parce que mhm. quand même elles auraient voulu, s'il n'y a pas, si c'est pas suivi d'un mécanisme pratique ça ne marchera pas. On a des villes, vous savez, où vous allez à Kigali aujourd'hui, vous n'oserez pas. Vous n'oserez pas laisser le monde petit mouchoir. Vous n'oserez pas. Ben, quelle que soit la mentalité de la personne, il ne va pas oser. Vous n'oserez pas le faire parce qu'il n'y a aucun autre déchet à côté de vous. Même dans cette ville de Niamey, je vous donne l'exemple de bonnes pratiques, de choses que nous avons faites. Je prends l'exemple d'une école à, Pour les actions, nous allons y revenir. Mais en attendant, on va rappeler notre correspondant. Allô, Abdelaziz oui, allô. Oui, vous êtes euh, de l'ONG Sapta Mouhalli. Donc, euh, on disait que des, des quais euh, avec des rampes ont été construits au niveau de certains dépotoirs pour faciliter l'accès des charrettes et des brouettes. Il y a aussi des petits postes de gardiens qui sont là, mais le plus souvent, on ne voit personne pour surveiller. Est-ce que ces postes-là sont toujours fonctionnels? Oui, bien sûr, euh, il y a beaucoup de postes qui sont là, qui sont fonctionnels. Mais euh, ce que effectivement, il y a un problème euh, de main d'œuvre, n'est-ce pas Mais que aussi ceux euh, de cette précollecte là qui est en train d'être, ces acteurs de précollecte là. C'est vrai que à un point, il y a eu une certaine démission. Démission pourquoi Parce que de 90 à aujourd'hui, où toutes ces structures le précollecte euh, avait commencé à avoir le jour, il n'avait pas été cadré, n'est-ce pas, et il n'avait pas été euh, structuré, nest pas, en fonction, en fonction, nest pas, de euh, l'urbanisation de la ville de Niamey. Ce qui fait que quoi, aujourd'hui, ces organisations non gouvernementales, elles interviennent, n'est-ce pas, dans des arrondissements comme ça, sans aucune, sans aucun programme, sans aucune stratégie que ce soit au niveau, eux ne savent que précollecter et chercher tout simplement là où il faut s'en débarrasser. Qu'il devait y avoir un certain cadrage avec aussi le service des municipalités pour euh, le respect des déversements. Qu'ils sachent comment est-ce qu'ils doivent euh, acheminer cela au niveau des points de transit. C'est ça, de ces points de transit-là, la mairie, quand elle vient dégager, voici là où elle doit amener. Et comme je vous le disais aussi, il y a un manque, nest pas, de, décharge officielle. De 1960 à aujourd'hui, on n'a pas une décharge officielle. Les soi-disant décharges, c'est les différentes carrières tout autour euh, de la ville de Niamey qui ont servi à construire effectivement cette ville. D'accord, mais si une fois qu'on récupère euh, les déchets, où est-ce qu'ils sont acheminés ensuite s'il n'y a pas de décharge eh, eh, moi, nous, nous euh, c'est dans ces carrières-là qui sont utilisées. Et à des périodes, à des périodes intermittentes, il y a des engins qui sont acheminés dans ces carrières-là. C'est aménagé par des bulles, c'est compacté. Donc, afin de pouvoir euh, permettre l'accès aux acteurs, aux précollecteurs. Mais bon, oui, les précollecteurs-là, vous voyez, même euh, les acteurs, les structures de précollecte, qu'est-ce qu'ils font c'est pas en réalité que des structures de précollecte C'est des gens qui, sont là uniquement pour euh, la manne. C'est à but lucratif. Une structure de précollecte qui est là, qui, ne fait, qui a conçu ses engins ou euh, ses chariots, qui n'a pas euh, structuré sa main-d'œuvre, ils ne cherchent que des saisonniers. On leur loue juste les charrettes, ils vont, ils ne savent que tirer le gain de, cette location-là. D'accord. Pour, euh, pour revenir euh, là où on déverse euh, les déchets, les carrières, à côté de ces carrières, il y a, aussi des habitations. Oui, aujourd'hui, c'est le plus gros combat sur lequel vraiment je peux dire l'acteur principal qui est l'autorité, la ville de Niamey, qui est déjà normalement avec même le nouveau ministère il me semble bien que des études et tout ça là ont été déjà finies, n'est-ce pas Mais avec tout ça, euh, on continue à déverser dans ces lieux, tout en sachant que ça peut nuire euh, à, la santé des populations. Bon, euh, étant donné que des accompagnements sont en train d'être faits en ces lieux-là, il y a des traitements, n'est-ce pas, ne serait-ce que minimes, sont en train d'être faits. Des bulles sont amenées dans ces espaces. Des, des, la, la est amenée pour euh, l'autre traitement des déchets que nous faisons est une, méthode un peu moins non conventionnelle, mais quand même, ça va, puisque après étalage, il y a aussi euh, pratiquement compactage et quelques couches superficielles naturelles avant une autre couche qui est faite. Donc, euh, nous allons revenir vers vous le temps de donner la parole euh, à notre invité est resté en ligne. Monsieur Daouda du donc euh, une fois que ces ordures-là sont enlevées des dépotoirs, est-ce qu'ils sont traités quelque part Bon, il n'y pas. D'ailleurs, vous venez de le suivre, ils disent qu'il il n'y a même pas de dépotoir euh, de décharge officiel. Et là où des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir de décharge, vous n'allez pas leur demander de, traiter ou de recycler des déchets. Et c'est pour que je disais au début, je dis les mêmes déchets là que évacuait. Ce sont ces mêmes déchets là que le vent ramène encore à l'intérieur des villes. Pourquoi Parce que ce n'est pas traité. Ce n'est pas traité et on fait tout de manière archaïque, de manière artisanale. Comme le, président de la République a commencé par parler de l'instabilité récurrente au niveau de la ville de Niamey, alors les gens ont commencé par bouger pour prendre euh, les déchets les plus visibles qui mhm. qu'ils amènent un peu à l'écart euh, de la ville. Et j'ai dit que. Disons à la porte de la ville. Voilà, à la porte de la ville. Et ça ne résout pas le problème. Je crois que pour une ville comme Niamey, il faut repenser toutes les structures qui se chargent de l'hygiène et de l'assainissement. Premièrement, la ville de Niamey doit chercher une décharge. Après la décharge, la ville de Niamey doit chercher des partenaires lui permettant d'avoir les moyens pour recycler les déchets solides et liquides. Tant qu'on ne recycle pas les déchets solides et liquides, ça ne résout pas le problème. Et ça peut être même, je le disais tantôt, un problème de santé publique. La ville de Namé doit chercher les moyens et mettre les moyens à la disposition de ses sous-traitants, donc les partenaires là qui travaillent, parce que vous avez vu, quand vous sortez les nuits, au moins au niveau des artères, vous allez voir des gens qui travaillent de 22h, parfois jusqu'à 3h, 4h du matin. Mm-hmm. Donc, parfois, ces gens-là peuvent passer deux mois, trois mois sans salaire. Ça peut les décourager. Ils peuvent ne pas travailler. Donc, s'ils arrivent à résoudre ces problèmes, la ville de Niamey doit également prendre contact avec les populations, avec les, structures organisées, les, les leaders d'opinion des quartiers. Donc, pour que le problème ne soit pas seulement un problème des autorités, mais que ça soit un problème de toute la population de Niamey. Je crois que si les autorités de la diversité spéciale travaillent en synergie avec euh, les populations de la ville de Niamey, on peut trouver des solutions à ces problèmes récurrents d'insalubrité au niveau de la ville de Niamey. Merci, M. Daouda, M. Gao du Nigérien Cyber euh, Citoyen. Selon vous, que faut-il faire euh, pour réduire la, la, taille de nos déchets, pour que <laughs> le sable qui compose la moitié ne puisse pas rentrer dedans. Très bien, je, vous remercie pour votre question. <clears throat> Je vais juste rebondir un tout petit peu sur l'intervention précédente parce qu'elle est extrêmement pertinente. On ne réglera pas le problème tant qu'on le fera par à coup. On est obligé de penser le problème globalement. Vous Voyez-vous, quand on dit Niamey Niala, ce n'est pas juste faire de belles infrastructures, euh, faire des grands goudrons, mais c'est aussi penser euh, globalement notre cadre de vie. Quand on parle de, de, de problématique de, déchets, on parle effectivement de, la collecte, déjà pré-collecte, au niveau des ménages, jusqu'au traitement. Et vous savez, plutôt que de voir ça en termes de problème, en fait, on peut voir ça en termes d'opportunité. Dans d'autres pays, c'est toute une industrie qui se bâtit autour de la gestion des déchets. Moi, j'entends tout à l'heure notre interlocuteur aussi parler du fait qu'il y a d'autres acteurs qui sont là parce qu'il y a une manne mais c'est une, une, très bonne chose d'avoir des acteurs qui sont là parce qu'il y a une manne, parce qu'on a un tissu économique à mettre en place. Ici, des acteurs pensent qu'autour de la gestion des déchets, il y a effectivement, on va dire les choses comme elles sont, de l'argent à se faire. Tant mieux. Faisons-nous de l'argent tant qu'au bout du compte, ça nous permet de gérer les déchets. Donc, pensons les choses globalement. Il y a une industrie, il y a une chaîne de valeur, il y a même de la matière première à gérer. Et là, je reviens à votre question sur la, sur la nature des, déchets qu'on a. Et la JICA la, coopération internationale japonaise, le gouvernement du Nigeria euh, écoutez-moi bien, le gouvernement a demandé à la JICA de faire une étude, de l'aider à faire une étude pour comprendre la problématique euh, de la gestion des, déchets qui est à et l'aider à trouver des solutions. Et ils ont sorti une étude qui est un document public, mm-hmm. euh, je pense en 2001, si j'ai bonne mémoire, et qui a proposé de prendre la problématique de façon extrêmement globale. Et on parle d'investir 57 milliards, je pense, sur trois ans, ce que totalement à la portée d'une ville comme Niamey sur trois ans. Et ça, ça date de 2001. Et je vous promets qu'on parlait déjà de régler le problème à partir des charretiers mhm. jusqu'à faire une usine de traitement. Et on a compris que en incluant tous ces acteurs, l'idée n'est pas de les exclure, puisque c'est important aussi qu'au niveau des communautés, qu'au niveau des municipalités, des quartiers, que des gens aussi profitent de cette manne-là, que des gens trouvent du travail. Et on a compris qu'en utilisant l'autre problème qui est que la nature de nos déchets est composée parfois de 60% de sable, mais que ce n'est pas forcément un problème, qu'au contraire, à l'occasion du traitement de ce déchet-là, c'est en fait une matière première qui peut être extraite et réutilisée dans une ville comme Niamey qui est en train de grandir, qui a énormément de besoins de cette matière première. Donc ils vont tout trier Tout trier, par exemple, tamiser mhm. et ressortir ce sable-là, le retraiter et le reproposer à l'Institut du bâtiment. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos déchets, euh, tout est mélangé, les biolo, euh, euh, comment dire, les, biologiques, les matières organiques, les papiers, les verres, le sable, tout est mélangé. Exactement, et ce n'est pas une conconigère dans beaucoup de pays. C'est plus simple s'il y, a un tri au départ. Mais la question reste compliquée, mais pas, pas insoluble. Il y a des, des, technologies pour faire ça. Et ce ne sont pas forcément des technologies extrêmement compliquées. Il est possible, par exemple, à partir des déchets solides, euh, je pense cet exemple-là, euh, d'alimenter une usine thermique et de produire de l'électricité en brûlant ces déchets-là. On me dira que ça va dégager euh, de la fumée, mais on a vu que récemment, euh, euh, un inventeur nigérien a créé un mécanisme euh, qui permet de traiter, euh, d'éliminer l'essentiel des toxines qui sont dégagées par, par, par, par les, usines. Bah, c'est possible, madame. Et, pour, et, toujours sur ce point-là, moi je dirais que on voit la chose qu'en termes de problème pas en termes d'opportunités que ça peut créer. Il y a, comme je dis, une chaîne de valeur, il y a des acteurs avec lesquels on peut travailler, c'est les ménages, c'est les communes, c'est les associations, mais il y a un acteur principal qui doit penser tout ceci, qui doit mettre en place un cadre. Et une fois que ça c'est fait, je, vous assure que c'est tout à fait possible. Niamey, finalement, ne compte qu'un million d'habitants. Enfin, des capitales qui en font. Merci, Gao. Donc, euh, Monsieur qu'est-ce qu'il faut faire euh, concrètement au niveau des populations et que doivent faire les autorités pour revenir à bout de ces problèmes d'ordures D'abord, au niveau, de, au niveau des autorités, il faudrait que qu'on commence par appliquer tout ce qui est prévu dans le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Niamey. On ne l'utilise pas, les gens font ce qu'ils veulent, alors il faudrait appliquer ce qu'il y a dans le schéma directeur. En dehors de ça, les autorités, comme je le disais, doivent travailler en synergie avec les populations. Euh, mon autoritaire vient de parler des années 1980. Pourquoi dans les années 1980, les villes étaient, du Niger étaient propres C'est parce que les populations, les communautés étaient impliquées. Presque chaque semaine ou chaque quinzaine ou au maximum chaque mois. On parle de salubrité publique. fait des salubrités publiques. Il faut appeler les choses par leur nom. Depuis l'avènement de la démocratie, les populations ont, commencé par croire. Et c'est effectivement ça le problème. Qu'en travaillant pour une ville, pour, euh, la communauté, c'est comme si on est en train de travailler pour le parti qui est au pouvoir. Et c'est ça la réalité de notre pays. Aujourd'hui, quand on demande à la population de Niamey de sortir, balayer, je suis sûr qu'il y aura une écrasante majorité qui vont dire non, je ne peux pas travailler parce que ce n'est pas mon régime. Ou bien, heureusement maintenant qu'il y a des gens qui sont neutres, comme on a mis en place la question des, délégations spéciales. Ces gens-là peuvent avoir l'opportunité, s'ils comme ils ne sont pas des politiciens purs et durs, d'être en contact avec euh, les communautés, avec les, populations, les leaders d'opinion. Et j'en ai la certitude, s'ils arrivent à à, parlementer avec un euh, les communautés, les populations peuvent les aider à régler en partie le problème de stabilité au niveau de la ville de Niamey. Merci, merci M. Dauda du Mozadem, M. Gao du NCC. Euh, qu'est-ce que vous avez à dire euh, pour clore euh, ce débat Qu'avez-vous à dire aux populations de Niamey pour un peu réduire ou bien pour qu'ils puissent un peu rendre leur milieu de vie propre il y a énormément de choses à, dire aux communautés, à tous nos décideurs, à toi, mais je pense qu'il euh, faut que chacun assume sa responsabilité, sa part de responsabilité, il faut que nous l'assumions. Et il y a une responsabilité, une grande responsabilité au niveau des citoyens qui doivent assumer, rendre leur cadre de vie sans. Et il y a une responsabilité au niveau des collectivités et des pouvoirs publics qui doivent, qui doivent être mis en place. Ils ne peuvent pas se dédouaner de ça. Moi, je ne suis pas pour moi, ce n'est pas une très très bonne nouvelle d'avoir une sorte de délégation spéciale. Je serais heureux s'ils arrivent à faire quelque chose, mais je pense que la plus grosse légitimité vient d'élus. Euh, c'est aux élus qui, discutent, qui ont pris un mandat auprès de leurs électeurs. Et malheureusement, ce qu'on a vu de l'expérience récente, c'est qu'ils ne sont pas capables justement d'aller jusqu'au bout du mandat qu'ils ont pris. Donc, je, je reste très circonspect, malheureusement. Je ne vois jusque-là rien qui me pousse à penser qu'on a véritablement pris la mesure du problème, qu'on est en train d'essayer de le régler. Nous, petits acteurs euh, de la société civile, nous essayons de faire ce que nous pouvons. Parfois, c'est extrêmement décourageant, vous savez, mais on se dit que voilà, l'effet boule ne gère ce qu'on fait. On essaie d'être pédagogique. Et chaque fois qu'on arrive à avoir un follower de plus sur notre page Facebook, on dit ah, on a peut-être quelqu'un qu'on vient de, de, gagner à notre cause. Et chaque fois qu'à l'occasion d'une action, on voit plus de personnes qui viennent balayer autre chose que leur propre cours, on est plutôt satisfait. Mais il y a beaucoup de travail encore. D'accord, euh, nous sommes euh, au terme de ce forum, euh, un conseil aux populations que nos invités viennent de donner. Donc on peut retenir de ce forum qu'une bonne stratégie de gestion des déchets est indispensable dans nos villes pour améliorer les conditions de vie des populations. Voilà, nous étions avec nos invités, M. Omar Gao du groupe nigérien cyber citoyen. Monsieur Bouraïma Daouda du mouvement nigérien pour la sauvegarde des acquis démocratiques Mozadem et Monsieur Abdelaziz Sekou, chef de service hygiène et assainissement de l'ONG Sapta Mahali, qui était en ligne avec nous. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain à 18h15 avec une autre thématique. Au revoir.